càccum jur gi bu ànd ak ay armes doon ab équation bi nga xamante mo moo askan wi ci Adéane. avant quelque chose tu vois des centaines de têtes de bœufs dans toutes ces communes ñu ñëw ba lolu yépp réer à cause des vols. sàcc bi bari na trop. proximité bu Adéane ak Guinée-Bissau dax na ba collectivité territoriale bi bile don ab zone de prédilection bu ay bande de voleurs nga xamante ñu ci gën bari ci frontière bi lañuy bawé ko. malfaiteurs yi dañuy traverser forêt bi. ñëw directement ci commune bi jël bétail bi dugaat noonu génn. ginnaaw ab étude bi nga xamante ne amal nañ ko ci terrain bi organisation Afrique en jeu ci lëkkaloo ak WANEP Sénégal ak it Austrian Development Agency ñoo ngi liggéey ci taxawal benn enclos de protection bu troupeau ya. enclos bi njëriñam d'abord mooy tax ba ñi nga xam ne sàmmkat yi ñi fa nangu indi seen jur dinañuy gën a déggoo dinañ gën a jàppante. projet bi li nga xamante ne njëriñ bi am na solo lool ci wàllum xeex sàccum jur gi commune bu Adéane dalloo na ko bu baax a baax. donc ñun les terres là il va falloir que ñu libérer lu plus rapidement possible ndax ñun projet bi mën na ñu mën a am réalisation projet bi fii si commune Adéane. am ndaje bu ñeel projet bi lay dajale na ci Adéane ay acteurs ay autorités locales ak it administratives yu arrondissement bu ñaa Niaguis. Le vol de bétail avec armes est une occasion à mille inconnus dans la commune d'Adéane où éleveurs et bergers sont en danger permanent. Le président des éleveurs alerte. Jusqu'à présent, il vient avec des armes. Les armes, c'est quoi Il vient mobiliser détourner même les bergers même pour l'amener avec les bétails. La proximité d'Adéane avec la Guinée-Bissau fait de cette collectivité territoriale une zone de prédilection des bandes de voleurs qui proviennent pour la plupart de la frontière. Les malfaiteurs venaient prendre ici des bétails et partir directement à travers la, forêt et euh, entrer en Guinée-Bissau. Après une étude effectuée sur le terrain, l'organisation Afrique en jeu en collaboration avec WANEP Sénégal et l'Austrian Development Agency travaille à mettre en place un enclos de protection des troupeaux. L'enclos va servir euh, à renforcer la sécurité. Donc c'est dans le but aussi de la sécurisation du bétail. Ce projet qui est d'une importance très capitale dans la lutte contre le vol des bétails est bien accueilli par la commune d'Adéane qui se dit prête à affecter des terres pour son implantation. Les éleveurs font partie de la population de la commune donc les aider également, c'est de nous aider nous-mêmes. Une rencontre autour du projet a réuni à Adéane acteurs, autorités locales et administratives de l'arrondissement de Niagis.